C'est d'abord, avant tout, remercier l'ensemble des éleveurs du département de Thiès. Remercier également le maire de la commune de Tasset qui nous a accueillis, euh, qui a eu à soutenir l'ensemble des éleveurs du département de Thiès. Euh, sous la direction de, notre coordinateur national, l'honorable député Ali Dembassou, qui est un jeune que le président de la République a confié cette grande mission, une mission nationale je peux dire que nous avons sillonné l'ensemble du territoire national. Euh, aujourd'hui, peut-être, c'était l'étape de, Tasset pour monter le, bureau départemental euh, des éleveurs de Tasset. C'est une très grande fierté de retrouver ici euh, l'honorable député Maïmoun Sen. Euh, qui est une collègue de l'honorable député Aliou qui est en train de faire un travail remarquable sur l'ensemble du territoire national par rapport à cette mission très importante que le président de la République lui a confiée par rapport au secteur de l'élevage. Euh, je peux même dire qu'il faisait partie des initiateurs euh, de la journée de l'élevage. Vous avez vu à chaque année le président euh, Aliou la parole qu'il prend pour cette journée de l'élevage. Aujourd'hui, c'était l'étape de Tasset. Nous avons entendu les doléances des éleveurs de Tasset qui veulent un second ranch euh, pour régler définitivement euh, vraiment ce secteur au, niveau, au niveau du département de, de, surtout un, département très enclavé par rapport au secteur de l'élevage. Donc nous avons bien entendu ces doléances et nous félicitons également le maire qui vraiment ne cesse de soutenir ces éleveurs au niveau national. L'idée du maire, c'est de créer un deuxième ranch ici au niveau de la oui, euh, les, les, éleveurs ont demandé cette doléance et euh, le, maire tient à soutenir cette doléance puisqu'il a dit que ce serait une, occasion de régler définitivement vraiment la transhumance par rapport aux éleveurs qui, se trouvent entre Dakar et le département de Thiès. Donc je pense que c'est une doléance qui sera entendue par le président de la République, euh, non seulement pour déclasser, on ne demande pas de déclasser, mais de créer un second ranch euh, qui serait un outil très favorable pour le secteur de l'élevage dans, le département de Thiès. Euh, merci beaucoup. Euh, mën naa ne kàddu gi yëpp euh, benn la maanaam euh, kàddu cant lay doon ak remerciement di am mbégte bu rëy tey dalal fi suñu collègue yi yëpp sama collègue aadama nekk ni ci sama wet àndandoo ak président Aliou Dembourou mu nekk mbégte bu rëy ak fierté bu mag ci man tey ma dalal leen fii ci Thiès. ñu ñëw fii tey def see ko fii ci seet Mamadou Thiaw aussi dalal ñu ñu am tamit ci loolu mbégte bu rëy rëy di am yaakaar rek ne lépp luñ fi mbébét jëmale ko ci éleveur yi ndax ku ne xam ne éleveurs yi rôle bu am solo bi ñuy joué ci émergence Sénégal ak ci économie bi aussi dañ ci joué rôle bu am solo ak euh, ñu gis tamit jéego yu ci président def comme tey bu ñu toogee fii du ko fi waxtaanee duñu def loolu am contentement bu rëy rëy rëy merci beaucoup